Au Niger, le manque de civisme est un fait observé dans tous les secteurs. Pour remédier à cet état de fait, le ministère de la Renaissance culturelle s'est engagé dans une démarche participative avec les citoyens. La circulation routière à Niamey constitue le premier axe. Asumana Malam Issa, ministre de la Renaissance culturelle. Nous avions rencontré tous ceux qui sont concernés par la question de la circulation routière pour dire tout l'engagement du gouvernement à travers le ministère de la Renaissance culturelle d'arrêter un certain nombre de dérives en matière d'incivisme de la circulation routière. Ces actes d'incivisme, c'est le non-port de casque, le non-port de la ceinture de sécurité, cette surcharge à moto, le téléphone au volant à moto, le non-respect des sens de circulation tel que dit par le code de la route. Sur les échangeurs, vous avez parlé d'emplacement des agents pour guider et sensibiliser les usagers. Comment cette euh, activité va se dérouler En matière de circulation routière, ce qui serait bien, c'est de prévenir euh, les infractions, les délits. Nous avons estimé qu'il y ait des agents de sensibilisation, identifier des jeunes volontaires qui peuvent venir se positionner au niveau de ces ouvrages. Lorsqu'un piéton va traverser l'échangeur à pied, qu'on lui dise que ce n'est pas le meilleur endroit, que voilà la passerelle qui est faite pour cela. Un motocycliste veut prendre un sens interdit pour aller dans l'autre sens de la circulation tranquillement et de façon pédagogique, on essaie de lui expliquer que ce n'est pas cela qu'il faut, plutôt voilà ce qu'il faut. Parce que parmi ces gens, il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'ils doivent faire par rapport à ces ouvrages. Et lorsqu'on construit des ouvrages aussi importants que ces échangeurs, il faut investir dans la sensibilisation et de la formation. On va créer des supports d'éducation populaire pour euh, que le piéton puisse identifier le passerelle piéton, le piéton puisse savoir quels actes et quels gestes peuvent lui permettre de sauver sa vie dans la circulation routière. Ces agents, comment est-ce que la population peut les identifier Lorsque ces agents vont être positionnés, on va essayer de passer à des actions de vulgarisation pour dire leur tenue, leur importance et pourquoi ils sont à ces places précises. Monsieur le ministre, cette initiative va-t-elle être étendue sur l'ensemble des grandes villes du pays. Notre démarche, est une démarche nationale. L'un des préalables, nous voudrions que la pédagogie de l'exemple vienne d'abord de nous, autorités, qu'un ministre ne brûle pas un feu rouge parce qu'il est en double clientèle, qu'un agent de force de l'ordre ne circule pas sans casque. Et quand nous allons donner ces exemples, ça va s'appliquer donc sans aucune difficulté à la population. Nous avons retenu que la pédagogie de l'exemple doit être l'outil principal qui peut garantir l'efficacité à toutes les mesures que nous allons arrêter.